le 25 mars amoon na benn conseil des ministres bu waxoon dégle ni état bi dafa jël 69 milliards jagleel ko maanaam dundu pour askan bi nga xam dañu nek ñoo xamni manam maanaam bi ñuy wax Covid 19 daf leen xawu indi indi jafe ci liggéey bobu mu sant que le ministère du développement communautaire bi nga xam ginnaaw suñu borom président Macky Sall dañu ko ba mu siflee loolu ci la ñuy tàmbali maanaam lépp loo xam ne moo laal ci doxin euh, bu ñu mënee fexe ba doxal maanaam ak alimentaire dund boobu nga xam ne dañ ko war a jënd yónnee ko fexe ba mu yegg ci askan ci loolu nag dañu waroon def loo xam dañuy bokk liggéey te bu ñu bokk liggéey bi et foofa képp koo xam ne mën nga ñëw may indil daal ñu boole la ci amee ñu ci biir gendarmerie bi nekk ci biir le programme alimentaire mondial nekk ci biir mais aussi ak l' ensemble de mes collaborateurs ndax ñoo bokk liggéey bi au niveau di ministère du développement communautaire te aussi vraiment le commissariat à la alimentaire joué ci rôle boo xam am solo donc loolu moo leen ko gërëm bu baax. di leen di leen ko tey daje bi dama la wax ni sama collaborateur yi ñu waxtaan boo xam ne ndongo nga wax bu ko doxalee bu mu doxee pour que information bi mën na egg ci journaliste yi journaliste yi tas ko tasaare ko mu egg ci askan bi parce que ku ci nekk ñun na loo xam ne dara ko def maanaam dund dund gi étape bi

am na ñu doon wax pourquoi defuñu cash transfert maanaam cash transfert mooy jël xaalis jaarale ko par orange money wala jaaree ko peut-être et cetera pour que askan bi mais choix dund gi dafa nekk choix bu am solo déjà maanaam nu mbir mu toll lu la du ndaw loo xam ne dafay dem ci un million cent mille ménages du ndaw donc boo leen gën a leen dund leer na koo jox dund dana ko téye léegi koo jox dund danañu fexe bu mu egg coono te danañu fàng bu fekkoon cash transfert nit ki mën nga ko jox xaalis mais kenn du xam ndax jot na ko wala jotul donc du ñuy fàng du ñu nekkul lu fàng aussi bu ko jëlee mën na ko jëlee leneen du dul dund donc jël jël ko dund mu nekk option bu gën ci option yi en plus képp koo xam ne maanaam liggéey nga ci mbir mi commerçant yi dañuy jënd ci ñoom donc def nañu am nañ ci loo xam ne au moins gagné a ko les transporteurs aussi, nous sommes tous les gens parce que je les donne les magasins de stockage. Je pense que dans les 14 régions, les gens qui les gens qui ont Madame des il y a un impact économique. Les manutentionnaires, il y a des milliers et des milliers de manutentionnaires qui liguent. Quand il est au moins, quand minimum entre 750 euh, 000 francs, vous les 1500 francs l'entreprise. kooku dafa nekk liggéey boo xam fan pendant la période de crise ñoom au moins am nañ jërëjëf boo jëlee les taximan boo demee au niveau des points de distribution taximan yi dañoo rang ku ci nekk yàq nga ci sa wërsëg am nga ci sa wërsëg lekk ko ci këcc boo demee charretier yi wala borom pousse-pousse yi ku ci nekk am na loo xam ne jël nga ko ci maanaam gañe nga ko ci loolu dafa nekk lu am solo boo jëlee aussi maanaam vraiment ñëpp liggéey nañ ci parce que mënu ma nekk liggéey.

soit approprié boo ko doon comparé yeneen dëkk sax Côte d'Ivoire def nañ carte transfert mais gis nañu lu mu dugg boo demee xam ne beneen dëkk su passé le beneen lu dugg beneen def nañ carte transfert mais pour ñoo xam ni euh, euh, une population de bénéficiaires très faibles et cetera et donc vraiment choix bi nga xam ni président bi loolu def nañ dafa nekk choix am solo te yaakaar nañ gis nañ ko permettre mën nañu gis fu saako dugg fu saako duggul.

xanaa lu ñuy wax rek mooy xëy na am na ñoo xam ne gisuñu leen am na ay quelques bénéficiaires yoo xam ne gisaguñu leen wala am na ay quelques bénéficiaires yoo xam ne dañoo ñëw mais amul commune boo xam ne barewul et en trois mois yaakaar naa ne coopération bi fois dans en Afrique coopération bu mel nii am ñu def ko ci anam yi ñu ko ci temps gàtt bi loolu dafa nekk loo xam ne lu am solo nekk loo xam ne. en tout cas maa ngi remercier tous les acteurs yi nga xam ne ñoom ñoo ko seqoon ñankoon ko ci liggéey def de telle sorte que ñu am résultat mel nii donc en tout cas may gërëm làmpe di gërëm police di gërëm gendarmerie ah di gërëm ñëpp parce que liggéey bu ñu am mais surtout di gërëm l' administration territoriale parce que bu ñu jëlee par exemple les opérations de ciblage l' administration moo xam ni gouverneur moo xam ne préfet moo xam ne sous préfet

donc voilà comment vous vient de comme résumé Maintenant, si kàddu une question sur l'état de la pauvreté je voudrais tout simplement rappeler que les enquêtes sur la pauvreté réalisées en 2011 donc vous pouvez voir qu'au Sénégal à peu près un taux de 47,5 de pauvreté en 2011 j'avoue que depuis 2011 jusqu'à maintenant l'ANSD n'a pas réalisé quoi des enquêtes. Et si on prend les chiffres donnés par la Banque mondiale, et un petit peu donc en les comparant, nous pouvons dire qu'au Sénégal, en avant Covid, la pauvreté a baissé, puisque l'État a développé euh, beaucoup de politiques euh, sociales tendant, visant effectivement à réduire la pauvreté. Et en comparant ces données, nous dire Covid, avant Covid, le taux était de moins de 40% de taux de pauvreté. Aujourd'hui, donc, avec l'effet de, la Covid, je ne peux pas, en tout cas, euh, disons, m'orienter appeler l'Égypte, des chiffres, puisqu'il va falloir faire une évaluation. Parmi ces politiques sociales, je pense que la politique relative euh, à la mise à disposition des bourses de sécurité familiale, cette politique à fortement en tout impacté positivement sur donc, la, baisse de la coûte relative euh, donc, à, la, communauté. Donc vraiment, c'est euh, des questions faut être agrégées avec les effets négatifs liés à la communauté. 19. Mais euh, je peux dire que le programme d'appui alimentaire réalisé quand même a impacté hein, pour venir en appoint, en aide euh, les ménages vulnérables, 1 million de ménages euh, bénéficiaires du programme national des C'est à peu près, si on prend le riz, les, 110 millions de tonnes distribuées, c'est à peu près 25 de repas pour les 16 millions de salariés. 25 repas, ça dit, c'est à peu près un mois, un mois de repas pour les salariés. Et c'est énorme. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous prenez un million de vous vous rendez compte que, donc, que cet appui alimentaire ce geste important de M. le Président de est fortement apprécié par les, populations. Alors, euh, c'est vrai que nous, au départ, quand il fallait euh, aller chercher le riz auprès des fournisseurs, on s'était posé la question, est-ce qu'il y a des disponibilités au niveau de la monnaie Au niveau de la monnaie, nous avions essayé d'entrer en contact avec le directeur général, par exemple, de la pour voir les disponibilités au niveau de la monnaie. Mais je voudrais vous dire à ce niveau que ce qui était disponible était largement, largement très insuffisant par rapport à nos besoins. Seulement, je pense qu'il y avait beaucoup moins de 1000 tonnes, 1000 tonnes de riz décortiqué disponible. Et pour nous, il n'était pas question, effectivement. Et ensuite, euh, ce volume-là était dispatché euh, donc, au niveau de pas mal de fournisseurs. Il était très difficile pour nous d'aller chercher de riz à ce niveau. Et je pense que fondamentalement, en tout cas, par rapport à la politique de président Henri, en tout cas, développée par M. le Président de la République, aujourd'hui, nous pouvons dire que des efforts sont réalisés au niveau de la, vallée parce que l'essentiel, ce qui est important, c'est que maintenant le lit produit au niveau de la vallée est consommé à l'échelle nationale. Avant, les Sénégalais ne consommaient pas le lit de la vallée, mais aujourd'hui, c'est du lit consommé. C'est la raison pour laquelle, les volumes sont très peu disponibles au niveau de la vallée. Et aujourd'hui, avec les plans d'aménagement en perspective, ce programme va en tout cas connaître donc, des euh, succès parce que les espaces pour continuent effectivement de progresser. Euh, donc par rapport à la donc à l'autosuffisance en riz, ce sont ces éléments de réponse que je voulais apporter. c'est la consommation annuelle 11 millions de kilogrammes 11 millions de kilogrammes de pâtes alimentaires. 11 millions de kilogrammes, c'est la consommation annuelle du Sénégal que nous avons voulu, en tout cas, vraiment distribuer en un temps record. C'est la raison pour laquelle, pendant certains moments, nous avons observé donc, les ruptures. Cela a retardé naturellement le processus. Mais heureusement que donc, gars, les Sénégalais assez, des parents qui se sont engagés, qui se sont mis à nous trouver effectivement le volume complémentaire nécessaire. Et aujourd'hui, effectivement, nous avons bouclé l'acquisition de ce volume, euh, de, cette demande en termes de alimentaire. Euh, et je peux vous assurer, en cas tous les bénéficiaires, tous les bénéficiaires identifiés ou non retardataires ont reçu leur quota de, Il n'y a pas une localité où on n'a pas dépassé les 99,5%. Parfois en retard parce que tout simplement, donc, le, une d'arrêt est à notamment les pâtes alimentaires, mais en dehors des pâtes alimentaires, le riz était disponible dès les premier mois. Dans les, trois premières semaines, le riz était disponible partout. Dans les trois premières semaines, les expéditions ont commencé le 11 avril avant la fin du mois d'avril, c'est-à-dire avant le 30 avril, le riz était disponible au niveau de toutes les localités, en tout cas à, l'échelle départementale. Il restait effectivement donc la distribution et c'était rapidement donc, euh, lié à la deuxième phase donc, du transport. Donc, riz était disponible, l'huile était disponible, le sucre était disponible, hein, et, en grande partie aussi les pâtes alimentaires étaient disponibles. C'est qu'à la fin surtout pour la région de Dakar et la région de Thiers, on avait quelques difficultés de disponibilité par rapport à la transportation. Mais dès que les volumes étaient disponibles, effectivement, la l'acheminement a été assurée par euh, euh, les, collaborateurs en charge de l'expédition. Il n'y a vraiment pas de problème par la suite, d'autant plus que maintenant, les opérations sont terminées, euh, sont terminées à l'échelle nationale. M. le l'a rappelé tantôt, euh, le ministère du Commerce nous a accompagnés par rapport au prélèvement pour ce qui concerne la qualité des produits. Et tous les produits ont été certifiés donc, conformes. Euh, il y a eu euh, un moment donc, quelqu'un qui a essayé de mettre en cause le riz, mais malheureusement, ce n'est pas, pas la réalité. Hein? Même moi, personnellement, quand j'avais vu ce riz là dans un premier temps, l'aspect jaune, je me suis posé des questions. J'ai dit du riz jaune, je n'en ai jamais vu. Mais effectivement, après l'information, au niveau du ministère du Commerce, il nous a dit que c'est du riz étuvé. D'ailleurs, il présente des qualités meilleures. Plus cher, parce que ça un petit même ce riz qui coûte pas moins de 300 francs ou je sais, 800 francs, le kilogramme. Et tout le prix fait autour de ce riz, c'est celui-là n'avait qu'un volume de 2000 tonnes sur les 110 000 tonnes. Que 2000 tonnes, ne représentait que 2000 tonnes sur les 110 000 tonnes. Et en plus, c'est un riz de qualité meilleure, de qualité supérieure. D'ailleurs, pour moi, j'ai voulu, en tout cas, euh, je l'avais à disposition en fait du sommet, euh, parce que tout simplement, effectivement, c'est un riz presque entier, parce que euh, ah, j'avais que 5% de plus. Donc cette plante c'est à peu près, c'est du donc, c'est quasiment du réactif, et qui présente donc nombre qualités meilleures. Donc on parle pour vous. Alors donc, euh, c'est pour dire que tous les produits, que ce soit les pâtes, le, riz, l'huile, enfin toutes les vraiment ont eu donc, le euh, du ministère du Commerce en termes de qualité. Voilà donc les premières questions, euh, les réponses, les réponses question posée. Et je pense à une question euh, donc destinée à, à M. Lepage sur euh, les entreprises qui ont été